Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangu. Bienvenue dans ce numéro du Forum de la presse, votre émission de décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève et ce avec des confrères des médias du Niamey. Les sujets qui ont marqué cette semaine et qui ont attiré notre attention s'articulent autour du retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger de la CDAO. Ensuite, la décision du ministère de l'Intérieur de suspendre jusqu'à nouvel ordre l'autorisation d'exercice accordée à la maison de la presse. Enfin, le prix du H 2024 qui est connu, il est fixé à 3 250 822 francs CFA contre 3 258 733 francs CFA l'année dernière. Pour discuter donc de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Maimouna Diadou, elle est journaliste indépendante, Ousseini Issa, journaliste indépendant également, et Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. Je suis une Adam Sirko à la modération. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à nos programmes. Les pays membres de l'Alliance des États du Sahel, que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont décidé dimanche 28 janvier 2024 de quitter la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à CDAO. Annonce faite à, travers un communiqué conjoint publié simultanément dans les trois pays. Il ressort donc du communiqué, je cite, qu'après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger constatent avec euh, beaucoup de regrets, d'amertume et une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme qui était l'intégration entre les États de la sous-région. Je commence avec vous, Memouna Diado. Cette décision des États de l'Afrique, euh, de l'AIS, e de quitter la CDAO, comment vous avez accueilli cette information? Bon, je, je l'ai accueilli comme tout bon Nigérien, en tout cas euh, qui se soucie euh, euh, de son pays. J'ai été moi-même touchée parce que il fallait s'y attendre parce que c'est pas une surprise hein, c'est pas une surprise parce que déjà c'était déjà prévisible, que ça allait arriver mm. avec les sanctions qu'a connu le Niger. Mhm. C'est vrai, il y a eu des coups d'État dans plusieurs pays, mais on n'a jamais vu de telles sanctions imposées au peuple nigérien. Mhm. Euh, six mois, les négociations n'ont pas encore abouti à grand-chose. Mhm. Euh, et, le gros problème, c'est que euh, la gente au pouvoir, quand même les militaires, sont en train de faire des pas Mhm. pour que ces négociations puissent au moins aboutir, au moins alléger. La dernière qui n'a pas abouti, euh, c'était celle de la semaine dernière ou la Oui, celle de la semaine, parce que c'est, ça, c'est la CDAO qui, mhm. qui a boycotté, mhm. puisque c'est la CDAO qui n'a pas voulu venir ici au Niger pour pouvoir discuter. Mais les militaires ont quand même fourni euh, des efforts pour que nous puissions en tout cas sortir donc de cette impasse-là. Mais maintenant, il fallait s'y attendre parce que tout ce que euh, euh, le Niger, les populations, même pas du Niger, les autres populations aussi africaines sont en train d'endurer, ça n'existe en aucun cas dans les textes de la CDAO. Mhm. La libre circulation des biens et des personnes aujourd'hui, c'est en difficulté. Parce que quand vous mettez un pays en embargo, mhm. donc vous mettez également sa population en embargo. Mhm. Vous ne leur permettez pas aujourd'hui, avec la fermeture de ces frontières-là, mhm. les allées et, et, et, retours de, ces, de, de ces populations-là. La dernière fois, on l'a vu, c'était seulement des animaux qui étaient à la frontière du Bénin, qui ont été refoulés par les Béninois. Donc, tout ça là, c'est vraiment, euh, c'était euh, la CDAO a dévié, en tout cas, de son cahier de charge. Mm-hmm, mm-hmm. Donc, si la CDAO a dévié de son cahier de charge, il faut bien sûr que les autres pays euh, de la CDAO, à savoir le Mali, euh, le Burkina Faso et le Niger se décident mhm. également à, à, donner cette position, à mhm. prendre cette position, et ça permettrait peut-être, avec cette position-là, mhm. de faire revenir la CDAO dans euh, euh sur, la bonne voie, pour que puisse, parce que parce que c'est dans un an, ce n'est pas encore totalement effectif. Il faut un an. C'est donc avant les un an et on espère mhm. que la CDAO va revenir dans, dans les négociations et pour pouvoir euh, lever toutes sortes de, sanctions aujourd'hui. Alors la CDAO a dévié de son cahier de charge. Vous, Armi, pensez-vous que les raisons avancées par ces États de l'AES euh, expliquent profondément leur décision de se retirer même de la CDAO Est-ce que les raisons qu'ils ont avancées tiennent Formellement, euh, j'avoue, euh, j'ai été surpris euh, de cette annonce. Mhm. Et ma surprise n'a été que grande mhm. quand j'ai compris que c'était simultanément. les mhm. trois pays. sont passés à l'acte, vraiment. je suis surpris parce que il y avait des semblants de négociations en cours. Et d'ailleurs, les responsables, je dirais, les négociateurs de l'autre partie, mhm. donc de la CDAO, étaient attendus et tout. Mhm. Le matin au réveil, euh, si je ne m'abuse, on disait même que le ministre togolais était déjà, Là, oui. Et donc, j'étais quand même surpris parce que euh, moi, vraiment, je ne voyais pas, je n'ai pas vu euh, sincèrement, le retrait euh, venir ici même, j'ai eu à le dire à mhm. plusieurs reprises. Mhm, mhm. Pour moi, euh, les deux organisations peuvent cohabiter. Trouver des consensus. Voilà, des consensus, mais aussi cohabiter, c'est-à-dire ils peuvent, les trois pays peuvent faire une intégration plus poussée que ce qu'il y a au niveau de la CEDEAO, n'est-ce pas Et peut-être même vouloir euh, engloutir mhm. la CDAO mhm. de par les actes, de par vraiment des actes concrets qu'ils vont poser et tout. Mhm. Mais je ne voyais pas, j'ai pas vu ça venir. Et les raisons avancées, à mon sens, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que oui, il y a les sanctions. On en souffre, on souffre. Voilà, mais mhm. n'oublions pas mhm. la CDAO euh, des peuples. Si la CDAO des dirigeants, des, présidents ne marche pas, mhm. euh, tout laisse croire que la CDAO euh, des peuples peut marcher et c'est aussi la volonté des peuples de part et d'autre de nos frontières. et, donc, j'aurais voulu que ça soit privilégié parce qu'une organisation, quelle que soit la sanction, même injuste qu'on vous impose, bon, euh, si vous on devait partir, bon, l'OIA, l'UA, dis-moi, l'Union africaine nous a sanctionnés, e moi nous a sanctionnés, la francophonie nous a sanctionnés, l'ONU n'a pas sanctionné, mais a posé des actes jusqu'à faire partir quand même euh, notre ministre, a refusé à, notre ministre ah, de participer. Donc, c'est c'est dans, dans, dans le cours normal, mm. je dirais, euh, dans le cours normal des choses. Mais bon, c'est déjà acté. Mm-hmm je ne sais pas si c'est définitif. Le texte de la de de, de, euh, de la CDAO dirait que euh, on a un an pour se retirer mm-hmm. définitivement et je mm-hmm. comprends parce qu'il y a des actes qu'il faut poser, mm-hmm. mais aussi il n'y a pas très longtemps nous avons vu le cas de Brexit, exit, euh, Brexit, n'est-ce pas, avec l'Angleterre qui a qui a quitté l'Union européenne, mais euh, on ne sait pas si ça va venir ou mhm, pas, mhm. mais toujours est-il que euh, ça donne à réfléchir, mhm, parce que d'une manière ou d'une autre, nous serons aussi obligés d'amener, euh, nous serons amenés tôt ou tard à renouer, en tout cas des relations, ne serait-ce que bilatérales, avec tous les pays aussi qui nous entourent au moins. Vous pensez que après peut-être ces un an, ces trois pays reviennent sur leurs décisions, puissent revenir sur leurs décisions Peut-être pas. Peut-être mm-hmm. ceux qui, euh, les dirigeants actuels qui ont posé ce acte, mm-hmm. euh, l'homme étant ce qu'il y a, rien que pour des questions d'orgueil, c'est parfois mhm. compliqué de revenir sur ce genre de décision. Mhm. Mais c'est des pays aussi qui sont en transition. Mhm. Est-ce que ceux qui vont les remplacer, voilà, euh, qui seront élus démocratiquement, vont revenir, vouloir revenir euh, Dans le cas de la CDAO, on connaît un seul cas, la Mauritanie qui est partie et qui n'est plus revenue parce que son départ aurait été une réussite, puisque aujourd'hui ils ont leur monnaie, c'est le Ouguya. Euh, très agréable à dépasser mhm. d'ailleurs. Mhm. Et donc on ne sait pas. On ne sait pas, mais mhm. l'intégration africaine, euh, que ce soit euh, pour nos dirigeants actuels ou à venir, ça doit être le maître mot. Il n'y aura pas de révolution qui ne passe pas par l'intégration africaine. Alors vous, Ousseini, quelles sont vos appréciations Cette décision, pensez-vous qu'elle va vraiment impacter même sur ces trois États Mais on est déjà impacté, Nafisa. Mm ça fait six mois. Ça fait six mois qu'on souffre. Comme ça, gratuitement. Parce que tout simplement des militaires qui assuraient la sécurité de ceux-là qu'ils ont descendus, ils ont décidé de prendre leurs responsabilités. Voilà des gens qui n'ont rien à voir avec l'affaire. Ils se lèvent un bon matin, ils disent, on va les sanctionner. Mm, mm, mm. Il faut la démocratie. Tout le monde est sorti pour dire, on est d'accord avec le coup d'État. Parce que tel que les choses se la situation qui prévalait en ce oui. Voilà des gens qui sont là, qui se lèvent un matin pour dire on va les sanctionner. Mm. Et en les sanctionnant, on met de côté ce que prévoit les textes même de l'organisation mm-hmm. pour prendre des sanctions qui n'ont rien à voir avec ce qui est prévu par le mm-hmm, texte. Mm-hmm, c'est comme l'a dit Memoun, ils ont donc dévié de leur cahier mais Alors, Mais on a fait la CDAO. Quand les Kuncho ont fait la CDAO, là, eux, là, ils étaient où les talons là, ils étaient, où, mhm. C'était des mhm. militaires. Mhm. Et ils avaient une vision de l'intégration, n'est-ce pas La libre circulation des personnes, l'intégration économique des pays fondateurs un bon matin pour dire parce qu'il y a coup d'État, on va arrêter. Alors que eux, mhm. eux, mhm. eux, tous tant qu'ils sont, ils volent pour rester au pouvoir. Justement, ah. dans un communiqué, même la CDAO euh, dit, que ces États restent toujours des membres importants de l'institution. Mais des membres importants quoi Tu m'as chassé, <laughs> mhm. je suis sorti. Pourquoi tu vas considérer que quand ils ont dit sans délai. Oui, oui, ils ont sans délai, ça, suppose que à, l'instant où, la déclaration a, été, rendue, on est sorti. Non, on est sorti à Et dans les textes, il y a des clauses. Les sanctions, les sanctions là, mm. est-ce que les sanctions sont prévues par les textes de la CDAO Les sanctions qui ont été infligées au Niger, au Mali et au Burkina, est-ce que c'est des sanctions qui existent mm. Alors, ils ont pris des sanctions. Les gens ont protesté un peu partout dans le mm. monde. Mm-hmm. Ils ont refusé de revenir sur les sanctions. Mm-hmm. Et ils nous imposent en plus des comment on appelle ça, des, conditionnalités, mhm. des, des, machins, des préalables, mhm, mhm. pour même négocier avec nous. Jusqu'à vouloir jouer avec la conscience. Est-ce que ces sanctions-là, ce pas des sanctions contre les dirigeants, c'est des sanctions directement qui visent les populations, à la base. On est en train de souffrir. Ce qui est injuste. Ce qui est injuste. Mais alors, quelqu'un vient sortir et dire non, non, non, il y en a, on n'a rien à foutre, on ne paye rien. Donc, selon on a vous, gelé, on a gelé, nos, on a gelé nos avoirs, mais c'est une décision très réfléchie. J'ai suivi un entretien avec Alain Foucault, mhm. du, président burkinabé, mhm. et qui a été très clair. C'est un aller direct, sans retour. Maintenant, que les gens s'agitent pour dire, il faut respecter, mais pourquoi eux, ils n'ont pas respecté mais... Pourquoi mhm. eux Eux, ils n'ont pas respecté les textes, voilà ce que disent les textes en matière de sanctions mais... contre un pays. On n'a pas respecté. Et on dit, ah, il faut qu'on respecte mais on ne respecte rien du tout. Hussein, selon vous, aujourd'hui, ces trois États peuvent-ils sauto s'autosuffire pour le besoin de leur peuple aujourd'hui fait ça. sauto s'autosuffire, c'est quoi sauto mm -hmm. C'est quoi sauto s'autosuffire Produit à manger, non mhm. On a suffisamment de ressources. Mhm. Parce que tout ça, ça a été mal géré. Les, les, politiques, commerciaux internationaux. Les, mais échange C'est quoi C'est des conneries. On nous a balancé que il y aura des problèmes et tout et tout. Avec il y a, le, Maroc récemment qui a... Ces trois pays ne disposent oh, oh, aucun de port. Mais quel port Quel port mhm. On commande non c'est quand les marchandises viennent. Mhm. Eux-mêmes, ils gagnent. Mhm. Ils gagnent à travers le, le, passage de nos marchandises par leur port. Aujourd'hui, avec, par exemple, vous pensez que le Sénégal va compromettre c'est son affaire avec le Mali <laughs> Ou vous pensez que avec la Côte d'Ivoire, vous pensez que la Mauritanie ne peut pas être à disposition Vous pensez que l'Algérie ne peut pas être à disposition pour nous permettre d'importer Moi, j'ai dit ils vont souffrir. Ils n'ont pas encore fini de lire l'heure. Vous, a aujourd'hui, la CDAO, trois pays qui décident aujourd'hui de quitter après la Mauritanie, si je ne me trompe pas. Quel sera le sort de l'institution selon vous eh L'institution va se retrouver <laughs> avec des plumes manquantes il y a encore des pays qui, qui... Mais il y a des pays qui sont là, mais ces pays-là aussi, il y a des risques aussi pour ces pays-là de quitter, parce que mm. quand ça ne va pas, quand tu vois que d'autres pays quittent, ça mm. veut dire que ça ne va pas. Mm. Soit la CDAO doit revoir sa copie, mm-hmm. revoir ses textes, revoir ces textes mhm. parce que on dit que le monde évolue mhm. et les textes aussi ont besoin d'évoluer. Mhm, donc, il y a nécessité de réviser ces textes-là pour pouvoir maintenir ce qui reste encore au niveau donc de la CDAO pour ne pas se retrouver avec la même chose que le G5 Sahel ou avec le départ des trois ils sont réduits à deux. Donc voilà moi en tout cas ce que je. Donc je, euh, qu'est-ce que selon vous ces trois États de l'AES que sont le Burkina Faso, le Mali, le Niger aujourd'hui, comment ils doivent œuvrer pour une meilleure souveraineté de leur peuple? Écoutez, euh, déjà avec la création de l'alliance, voilà déjà, oui voilà déjà la création de l'alliance parce que euh, par exemple, euh, au plan de la circulation des personnes, euh, des mm. personnes et des biens, mm-hmm. n'est-ce pas si nous devons être tournés vers le Togo, mm-hmm, mm-hmm. par exemple, le Niger donc a intérêt de passer par le Burkina, le Mali par le Burkina. Si nous devons aller en Mauritanie, c'est par le Mali et le, Burkina. il faut passer. S'il faut aller par l'Algérie, ainsi de suite. toujours est-il que euh, une union, c'est toujours bien, à mhm. mon avis. Mhm. Et il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'organisation, d'intégration de mhm. trop. Mon seul euh, problème, c'est que euh, on a quitté l'organisation qui a 50 ans quand même. Selon vous, ces pays sont allés trop vite en besogne Je pense que tôt ou tard, dans tous les cas, les sanctions, sont ce qu'on peut nous faire, on nous a fait. Hein. Mhm, mhm, mhm. Euh, à part ces sanctions, il n'y a rien qu'on puisse nous faire. On a voulu nous faire la guerre, c'est pas possible. Et donc, euh, il n'y a que ça qu'on peut nous faire. Et qu'on quitte ou pas, si les sanctions sont maintenues, euh, on continuera à souffrir de la même manière. aujourd'hui, pour le simple Nigérien, quelle sera la suite si le Niger quitte la CDAO avec les sanctions déjà infligées Quelle sera la suite aujourd'hui Non, il n'y a rien qui va changer. Mhm. Parce que le fait que le Niger ne soit pas, ou le Bénin, ou le Burkina, ou le Mali ne soit pas dans la CDAO, mhm. ne va pas pousser les pays restants mhm. de la CDAO à lever les sanctions. Mais euh, je pense que c'est quand même c'est une pression. Et moi, j'ai croient beaucoup plus à ça. Ça, c'est vraiment, ça a dû mhm. les secouer sérieusement mhm. qu'ils peuvent accélérer, que ça peut accélérer peut-être les choses. Mhm, Quand la CDAO rend public euh, un communiqué pour dire que non, on peut négocier, que on peut faire les choses à l'amiable, je pense qu'il s'agit aussi dans le cadre de la négociation et que peut-être, qu'ils vont reculer par rapport à leurs euh, exigences. Et dès lors que euh, je crois que c'est le 28 que l'acte a été posé. Euh, d'ici le 27 euh, de l'année prochaine, de l'année prochaine, bon, beaucoup de choses mhm. peuvent peuvent évoluer. aussi, l'AES peut grandir. le, le, le, Tchad peut rejoindre l'AES, je me dis, mhm. mais aussi la Mauritanie aussi. Justement. voilà. Hussein, apparemment, vous vouliez réagir. Oh, je vais réagir. Mhm. Je dis, on n'a rien à perdre tout à l'heure, j'ai pas fini de répondre à ma question. On a les ressources naturelles. Mhm. On a été spolié pendant plus de 60 ans par des gens qui sont aujourd'hui désemparés. Les puissances occidentales mhm, mhm. qui ont exploité nos pays là. On prend nos ressources. On nous impose leur politique publique. Ah, il faut abandonner de financer l'éducation. Il faut abandonner de financer. Il faut abandonner la santé. Il faut, il faut que les gens aujourd'hui Aujourd'hui, le désarroi, c'est dans le camp. Mm-hmm. On n'a pas décidé de quitter. Nous, on n'a pas décidé. Mm-hmm. Mais vous ne pouvez pas sanctionner un pays mm-hmm. où vous savez directement que c'est les populations à la base qui souffrent de ces sanctions-là. Et vous les maintenez. Et même quand on dit on va négocier, vous faites le dilatoire. Il n'y a, pas de, y a pas de retour. <laughs> On est, on est parti. <laughs> Nous allons observer une courte pause avant de poursuivre. Deuxième sujet de ce forum de la presse, dans un arrêté du 31 janvier 2024, le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Boubacar Toumba, suspend jusqu'à nouvel ordre l'autorisation d'exercice accordée à la maison de la presse. Un comité ad hoc de gestion dénommé Maison de la presse est déjà mis en place. Alors, vous, Arimi, comment avez-vous accueilli cette information? Euh, merci, oui, euh, c'est un problème qui se pose euh, depuis un moment, mhm. n'est-ce pas Avant même le coup d'État, le problème était là. Mhm. Mamouna est, en est témoin mhm. pour avoir été candidate et n'avoir pas été bien gérée, je dirais, par le bureau sortant du conseil d'administration du de la maison de la, presse. ceci étant, euh, je trouve euh, qu'il y a euh, une intervention un peu vraiment trop poussée hmm. du ministère de l'Intérieur. Parce que quand c'est une décision qui regarde toutes les associations, je hmm. serais d'accord. Mais, là, il y a une focalisation. Quelles sont d'ailleurs les raisons qui ont amené ces, ces, cette Oui, je crois qu'ils sont en dépassement de mandat, mhm. n'est-ce pas Et on a suivi ces derniers temps les organisations socio-professionnelles de qui la se qui se plaignent de leur situation et, tout et tout. Et je crois que bon, comme c'est des hommes de médias qui ont accès aux médias, qui ont eux-mêmes le micro à main, mhm. je crois qu'ils ont été trop vite entendus. Mhm, mhm. euh, ceci étant, moi j'aurais voulu d'un recul vraiment d'un pas du ministère euh, de la communication et de celui du, de mhm. l'intérieur mhm, mhm. pour laisser les hommes de médias gérer les choses. Pour la petite précision, euh, je ne suis avec aucun des camps. Euh, je, je, je, fais partie de ceux qu'ils ceux qu'ils qualifient de, de, de, de vieux, des anciens qui les ont laissés faire les choses. Je me retrouve plutôt avec ce groupe-là. Et donc, parce que là, ils se sont focalisés sur une seule organisation. Mhm, et je sais que dans, dans, notre pays, les associations, les ONG autres, les dépassement mhm. de mandat, on est passé mmh. euh, maître mhm. là-dedans. Si on doit faire le point pour dire que tous ceux qui ont, sont en dépassement de mandat vont être suspendus, euh, je vous assure qu'il n'y aura pas beaucoup d'organisations qui vont rester debout. Alors vous, euh, quelles sont les autres raisons que vous détenez euh, de cette décision des autorités de suspendre euh, la maison de la presse D'abord, c'est le dépassement de mandat. Mm. Oui, sur mm. c'est le dépassement de mandat. Mm. Mais au-delà du dépassement de mandat, sur l'opacité dans la gestion de cette structure. Moi, j'ai été membre du conseil d'administration pendant des années depuis sa création. de, la maison de la presse, bien évidemment, oui. À toutes les assemblées générales, je, suis convoqué au titre de l'organisation au sein de, laquelle j'ai milité. Mais alors, quand les gens gèrent de manière opaque et que voilà une situation qui se présente, mm. n'est-ce pas Et qu'on refuse de faire les choses de manière transparente. Mm-hmm. Moi, j'ai dit, on est dans une dynamique de transparence. Que les, hommes de médias n'ont cherché aucune piste de solution avant d'en arriver à... de solution suppose qu'on implique, mm-hmm. qu'on dise. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y a eu une convocation de, de, de l'AG, mais qui n'a pas respecté les textes. J'ai cru comprendre qu'il y a eu des modifications qui ont été apportées sans les organisations, sans l'implication des organisations au départ. Mhm. Des organisations, j'ai cru comprendre qu'on a créé des nouvelles organisations pour renforcer, mhm. pour, alors que les anciennes organisations ont été boutées, mhm. n'est-ce pas Alors, par rapport à tout ça, moi j'ai dit, moi j'ai dit quelque part, il faut mettre de l'ordre à partir du moment où on est dans une dynamique de transparence, mhm. au niveau de toutes les organisations, il y a plein d'organisations, Arimé l'a dit, qui, n'ont jamais renouvelé leur, mhm. le comment on appelle, leur mandat. Mhm. Mais, mais qu'on mette de côté, c'est-à-dire sur la base de tri. Les concernés même. Sur la base de tri, on ne sait pas comment ça se passe. On considère que des, des sociétés ne peuvent pas être là pendant des élections, des désignations et tout et tout. Moi, au moment où j'ai avec le défunt Marcel Lati, Abdoulaye Moussa à ce moment, c'était transparent, c'était avec, y compris lui, euh, Abdraman Ousmane, qui a été aussi mm-hmm. président du, conseil d'administration de la maison de presse, mm-hmm. de la presse qui a passé la main à Baba Alpha. Mm-hmm. Ensuite, Baba Alpha a passé la main à monsieur. Donc, si on comprend aussi, aujourd'hui, l'équipe euh, existante euh, a failli. On ne peut pas gérer une organisation fêtière de manière et un peu, comment avait je dit dans, l'opacité. Il faut, il faut être clair avec les gens. Il y a une, il y a des choses, il y a des, on invite tout le monde, les gens viennent et discutent. Mhm. il y avait des assemblées extraordinaires, il y avait des assemblées ordinaires qui mhm. étaient tenues à mhm. l'époque. D'accord. Armi, vous vouliez? Comme la plupart des associations de, de notre pays, il y a des démarches à suivre, n'est-ce pas? Même quand quand, quand, un dirigeant d'une organisation ne gère pas bien, il y a des modalités qui sont prévues par le texte pour pouvoir. Euh, oui, par exemple, on, on peut, on, dans la plupart de nos organisations, on dit que quand ça ne va pas et que le dirigeant mhm. principal refuse de mhm. convoquer une assemblée générale, tel pourcent des organes membres, n'est-ce pas, puisque c'est une fêtière, donc des organisations membres peuvent convoquer une assemblée générale, mhm. n'est-ce pas Peuvent le faire convoquer. S'ils refusent, on augmente le quota et on dit qu'ils peuvent convoquer, une assemblée, générale. Donc, mhm. de cette manière, les organisations des médias... Et cela n'a pas été fait euh, Que je sache. J'ai vu les gens... Euh, très vite aller en besogne, mhm. euh, afficher euh, leur parti pris, euh, mhm. dire des choses, mhm. mais je ne pense pas que cela a été euh, essayé. Mhm. Et ce qui est, bon, j'ai appris que c'est les des responsables du ministère de l'Intérieur qui vont assurer, des personnes qui a priori n'ont rien à voir avec les médias. tout ça, je crois qu'il ne faut pas la, jurisprudence aidant, on ne peut pas créer des des des, des, trucs comme ça, des dérapages de ces genre là qui vont faire école par la suite. Ah Donc moi, je pense que très vite, ceux qui ont été qui sont membres du comité ad hoc là, mhm, mhm, mhm. avec le bureau sortant de la maison de la presse, doivent convoquer une assemblée générale, n'est-ce pas Peut-être même pour toiletter les textes de cette organisation-là et vraiment se remettre en marche la machine des élections. Comme ça, il peut y avoir un comité constitué des hommes de médias qui vont gérer jusqu'à euh, l'organisation d'une assemblée générale transparente mhm. et qui va vraiment mettre faire table rase euh, des actes mauvais qui ont été causés par euh, justement la maison de la presse avait pour mission la défense la promotion de la liberté de la presse et d'expression au Niger vous Memouna pensez-vous aujourd'hui que cette décision aura un impact sur le secteur de la presse aujourd'hui au Niger Bon, je peux pas dire que ça aura un grand un impact. Hein. Pourquoi euh, Parce que la maison de la presse, je ne te cache pas, Nafissel. la maison de la presse, de la presse en tout cas, n'a jamais joué son rôle. Et il faut se dire la vérité. Selon vous, c'est, selon, moi, oui, c'est, selon des constats concrets. Hum. Il y a eu en 2019 combien de journalistes qui ont été renvoyés de ces organes-là qui ont par, par, avec euh, la Covid-19. Mm. Il y a eu combien de journalistes qui ont été licenciés Je n'ai pas vu. pour quelle raison? Euh, par manque de moyens. Par manque de moyens et, et, euh, et par également à cause de la situation de Covid-19. Mm-hmm, mm-hmm. Je n'ai pas vu là où la maison de la presse quand même s'est levée mm-hmm. pour pouvoir défendre donc ces journalistes-là parce que je fais partie de ces journalistes-là. Et deuxièmement, il faut parler de cette politique qui atteint la maison de la presse. la maison de la presse, la politique politicienne s'est mhm. ingérée dans la maison de la presse. Mhm, mhm. Et quand la politique s'invite dans une structure qui est en charge des, des organisations socioprofessionnelles, c'est une division qui est tout de suite constaté. Mhm. Il n'y a pas eu également des élections libres, transparentes qui se sont tenues au moment, en tout cas, de cette, de la gestion, mhm. donc, de la maison de la presse. Les responsables de la maison de la presse doivent se remettre en cause, donc, selon. Euh, oui, mhm. oui, parce que on l'a toujours dit, quand toi qui es censé, c'est parce que c'est la structure, c'est l'association, c'est, en fait, c'est la maison fêtière. La maison qui doit faire en sorte que les organisations socioprofessionnelles mhm. se rencontrent, se retrouvent et décident ensemble. Quand il n'y a pas cette décision d'unité mhm. ensemble, ça veut dire que on, ça, on, on a, ça ne pourra pas marcher. Il faut se dire les quatre mhm. vérités. Mhm. Je ne suis pas contre X ou Y, mais quand il y a des vérités à dire, il faut les dire. Justement, rien que la semaine dernière, euh, les journalistes des télévisions des médias publics et privés, autant pour moi, ont, dans une déclaration, décrié leurs conditions de vie et de travail. Mais comment sortir de la crise avec euh, toute cette situation au Saini Sortir de quelle crise Parce que les gens ne sont pas payés. Mais alors, moi, j'ai dit une chose, mm. et je l'ai toujours défendue. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, n'est-ce pas les gens Mais à qui la faute d'ailleurs, justement À qui la faute, Mais aux journalistes. les journalistes, c'est pas le promoteur. Mais le promoteur, là, si tu dis que tu n'as pas besoin de salaire, pourquoi il va te donner un salaire parce que tu es d'accord que tu vas travailler comme ça. Tu es d'accord parce qu'on va te voir à la télé. Et tu es content. Tu vas à un séminaire, on te donne 5 000. Tu es content. Alors, quand on accepte de vivre cette vie, Ça, c'est dire que le matin, je dois me réveiller parce que je dois faire le réveil matinal. 5 heures du matin, je vais hériter de mon lit pour venir m'asseoir. Un monsieur, il est là couché chez lui jusqu'à midi 11 heures. Il ne me paye pas à la fin du mois, mais je suis content. Alors, à qui la faute Mais ils n'ont rien réclamé. moi, Nafisa, fait mhm. ça. vous savez, le premier travail sur la convention collective, là, mhm, mhm. moi, j'en fais partie, je faisais partie de l'équipe qui a travaillé depuis sous le règne Barry mhm. sur la convention collective. Mhm, mhm. Mais quand j'ai vu, on vient, on dit non, mais il faut qu'on cherche ce qu'on veut dans la vie. Si les gens décident aujourd'hui que les médias les payent, le, promoteur là, mais attends, mais c'est pas toi qui vas chercher les infos. Est-ce que c'est pas, c'est pas ces journalistes là que tu méprises là? C'est pas eux qui vont sur le terrain. Je ne veux pas. Alors, si je dois crever de faim, je crève de faim. Au moins, une semaine, toi-même, tu vas rien gagner. Mhm. Toi, promoteur de médias, tu vas rien gagner. Mhm. Mais si tu refuses de faire, mais c'est quelqu'un, quand j'ai entendu dans la déclaration dit, il faut que l'État se mette, que le gouvernement se mette dedans. Mais qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que, ce que le gouvernement peut faire dans Oui, mais Mouna, qu'est-ce que vous vouliez dire? Oui, en fait, je, voulais juste dire que, et les journalistes, hein, mhm. pas tous les journalistes, mais il y a certains journalistes qui n'ont pas d'objectif. Et quand tu n'as pas d'objectif, ça veut dire que ça te, tu peux rester autant plusieurs mois sans être payé, mhm. sans agir. Mhm, mhm. C'est quoi agir Mais c'est un contrat qui me lie avec euh, le promoteur. Mais si, <laughs> par malheur, moi, je fais un mois, deux mois, trois mois, tu ne me payes mhm, pas. Mhm, mhm. Mais je me cherche ailleurs. Nous souhaitons. Et, euh, ensuite, je j'ai pas encore fini. et le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une collaboration qui nous lie. Ça veut dire que tu dois amener ce que tu peux amener. Et moi-même, je vois en termes de un truc donnant-donnant. Parce que c'est quoi -ce donnant-donnant ça pourrait marcher comme ça. Ça pourrait marcher parce que quand on, on leur invite à créer certaines choses, à créer des émissions, par exemple, à créer beaucoup de productions à faire en sorte que l'argent que vous ramenez soit remis dans la caisse de, de, la boîte, c'est pour pouvoir vous payer à la fin du mois. Mais quand vous vous retrouvez sur le terrain, parce qu'on vous donne 5 000, on vous donne 10 000, mhm. et vous pensez que déjà c'est bon, nous souhaitons, vous, ça, Nous souhaitons rapidement, <laughs> Oui, c'est juste <laughs> que mhm. euh, il ne faut pas perdre de vue mhm. la situation économique de nos médias qui ne sont pas pas viable au Niger. C'est difficile de trouver une seule chaîne de télévision qui va avoir un bilan positif à la fin mhm. de l'année. Mhm. Euh, moi, j'ai peut-être le privilège, et je ne sais pas si c'est le malheur aussi, mhm. d'être de part et d'autre. Je peux m'estimer euh, patron de médias et je peux, je suis quand même aussi payé. Euh, mon revenu, c'est quand même. Donc, je sais de quoi <laughs> il, s'agit. Et notre environnement mhm. économique, mhm. malheureusement, le politique si mêlant, mhm. on n'arrive pas à avoir des organes qui peuvent convenablement payer les journalistes, les mettre dans les conditions de travail qu'il faut et en même temps générer des bénéfices. Alors, on a un choix ou on s'occupe de nous-mêmes, mhm. ou vraiment on laisse des patrons qui vont essayer de se servir avant de nous servir. D'accord, d'accord. en fait, en fait c'est pour dire que la situation économique, mhm. même avant qu'il n'y avait pas la situation économique, en tout cas, les patrons de ces médias-là, ils ont, ils se sont amusés avec de l'argent. Nous souhaitons qu'avec ce pas en tout cas, qui va leur permettre d'aller à la longue d'avoir un, une vision mhm. pour le lendemain. Nous espérons qu'avec ce comité ad hoc qui est mis en place, euh, que des pistes de solutions soient trouvées euh, pour euh, solutionner le problème du secteur du média ici au Niger. Nous allons marquer une petite pause. Dernier sujet de ce rendez-vous au Niger, le prix du Hajj 2024 est connu. Il est fixé à plus de 3 250 francs CFA. Annonce faite le mardi 30 janvier 2024 par le ministre du Commerce, M. Seydou Asman. Selon le ministre Asman, je cite, c'est après un long processus qui a regroupé l'ensemble des partenaires qu'ils sont parvenus à un prix consensuel inférieur à celui de l'année passée qui était fixé à 3 258 000 733 francs CFA. Alors, euh, Hussein Issa, quelles sont vos impressions C'est quoi qui a diminué C'est combien le Environ montant 7 000 et quelques parce que l'année oh, cette année c'est 3 250 822 000 francs CFA contre 3 258 773. Donc euh, un peu plus de 7 000. Où est la différence au moins, c'est à la différence. quelle différence bon, entre, entre Mais d'ailleurs, officiel... à 1,4 million et quelques. Mhm, c'est revenu, oui. Et mhm. puis, ce que je ne comprends pas avec le Hajj, mhm. on dit que l'inscription même est clôturée et tout, et tout, et tout. et c'est maintenant que le montant est fixé. Mais ceux qui se sont inscrits là, ils n'ont pas payé encore. Mais je ne sais pas. <laughs> ça, <laughs> il faut peut-être oui, <laughs> moi, moi, moi, je pose le problème en termes de c'est bien beau de venir parce que j'ai suivi le ministre. Il a souligné aussi que c'est au Niger que le prix même est beaucoup non, plus. Mais non, qu'on arrête, qu'on arrête. Le, moins par rapport, oui. Voilà, c'est moins. Et souvent, il y a même des subventions où l'État karma mm-hmm. subvention, n'est-ce mm-hmm. pas mm-hmm. Maintenant qu'on vienne, qu'on sorte pour dire, ah, on a fait des efforts. Après d'aptes négociations, on est parvenu à amener les, les opérateurs a réduit 7 ou 8 000. où il est fort Où est fort mm-hmm. Et maintenant, le gros problème qui est devant, le transport. Parce que c'est ça la difficulté. Mm-hmm. Et tout à l'heure, tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un qui est basé là-bas à, Jeddah, mm-hmm. qui m'a fait comprendre que le même avionneur là, le même avionneur là, euh, on l'a maintenu. On veut créer les mêmes difficultés où quelqu'un va quitter Difa mm, mm, mm. pour venir à Niamey. Et pendant des mois, pendant il va, il va, pendant des semaines, il va rester sans pouvoir faire le voyage. Parce que tout simplement, le même avionneur là, rien ne garantit qu'il va être honnête cette année. Alors, quand on ne parle pas de ces questions-là, on dit qu'on a réduit seulement à 7 000. 7000. 7000, ça correspond exactement. Non, c'est d'accord, c'est de l'argent, mm-hmm. mais 7000. <laughs> dans la sous-région, il y a des pays où. il a <laughs> été demandé même aux responsables du COHO, la commission à l'organisation du Hajj et la OMRA de prendre toutes ses responsabilités pour que cette fois-ci, euh, que les choses changent. Selon vous-même, pourquoi euh, l'organisation des Hajj précédentes ne marchait pas ici au Niger est-ce que euh, la faute à cette organisation Mais oui, puisque c'est l'organisation, c'est cette organisation en tout, cas qui est chargée de, suivre hein, le déroulement de, du début jusqu'à la fin, mhm. en tout cas du Hajj. Mhm. Et quand l'organisation faille, euh, ça veut dire que ce sont les organisateurs qui ont failli. Mais quelle est la part de responsabilité même euh, des agences de pèlerinage, des responsables Mais les agences de pèlerinage, la dernière fois, ils ont crié pour dire qu'on ne les a même pas associés à l'organisation d'abord du Hajj. Mhm. Eux, c'est seulement euh, faire en sorte de connaître le, le, le taux de, de, des pèlerins mhm. à leur niveau mhm. et de faire remonter ça au niveau donc du co mhm. Ils ont décrié que c'est parce qu'on ne les a pas associés mhm. et concrètement mhm. qu'il y a eu certaines défaillances. Et là également, moi c'est pas l'argent qui m'inquiète, mais là également c'est l'organisation qui m'inquiète. Si je dois payer les 3 millions demandés et que aujourd'hui je n'arrive pas à aller eh, faire les, euh, le Hajj, je n'arrive pas à aller, mhm. euh, en tout cas, mhm. euh, faire le Hajj au mhm. niveau de la Mecque, ça veut dire que ça, c'est l'organisation a failli parce que j'aurais pu peut-être mettre mon argent euh, quelque part. Et aujourd'hui, il faut également savoir est-ce que ceux qui n'ont pas pu effectuer le Hajj, des, années... antérieures, mhm. est-ce que ceux-là ont mhm. été euh, mis dans leurs droits mhm. en leur reversant l'argent qu'ils ont payé C'est ça aussi. Alors, Armi, le prix du Hajj de 2024 est donc euh, connu aujourd'hui. Quel doit être l'engagement de tous les acteurs concernés pour la réussite vraiment de l'organisation de ce rite Le Hajj, c'est un des piliers de l'islam. Les pèlerins qui donnent leur argent, ils payent pour aller séjourner en Terre Sainte, prier pour eux-mêmes, pour leur famille et pour leurs amis et connaissances. Mm, mm. Euh, pour cela, ce n'est pas pour rien que le montant là, c'est 2 millions et quelques. Mm, si c'est un vol aller-retour simple, voilà, 500 000, tu règles le problème. Les gens vont jusqu'à Dubaï à 300 000. Et donc, normalement, on doit amener les gens à temps. Tu payes pour au moins 20 jours francs en Arabie Saoudite. Mhm, N'est-ce pas Il y en a qui ont fait 10 jours mhm. et qui, n'arrivent même pas à faire des parties des rites et mhm. tout. Donc vraiment, c'est de veiller à ce qu'il en soit ainsi. Il y a de l'argent de poche qui, sont normalement, qui, est normalement restitué aux pèlerins. N'est-ce pas Personne ne doit se plaindre que cet argent n'est pas revenu aux pèlerins. Et l'hébergement, n'est-ce pas Des personnes malades, des personnes âgées, des personnes, on les amène en Hajj on les met dans des conditions parfois moins que ce qu'ils ont à la maison qu'ils ont Les voilà. Et donc les agents, de... voilà, voilà. Maintenant, le, la, la, responsabilité vraiment du COHO, c'est d'abord les avionneurs. Hum, hum, hum. Ils doivent vraiment prendre toutes les dispositions. euh, J'espère que avec le nouveau responsable qui a été désigné, n'est-ce pas, il va veiller au grain et c'est lui-même le ce que c'est que le h donc vraiment que les avionneurs soient fournissent, comme je l'ai dit il y a quelques temps, d'ailleurs je me rappelle, leur plan de vol dès maintenant. Parce que le, le c'est dans trois mois, n'est-ce pas Puisque le, le, le Ramadan, c'est dans un mois. Et normalement, aujourd'hui, je peux aller sur Internet, réserver un vol dans trois mois et j'aurai tout mon plan de mm, vol. Mm, mm, Où est-ce que je vais faire escale, de combien de temps et à quelle heure je, vais arriver à destination. Donc, normalement, les les, pèlerins doivent être répartis sur des vols. Ils doivent avoir leur billet, leur plan de mm-hmm, vol mm-hmm. au moins un mois mm-hmm, avant de partir de Niamey. Ce que vient de dire là, <laughs> mais me surprend. Pourquoi Ils doivent avoir leur plan de vol. <laughs> mais, avec quel avion est-ce que officiellement les avions euh, n'ont pas été euh, Non, je vais dire une chose. Publié. Moi j'ai vu un truc officiellement pour le H 2024, on connaît déjà les avionneurs. Oui, on les connaît. Oui, on, connaît. on les connaît. qui tu sais on... déjà. <laughs> on... connaît les euh, avionneurs. Maintenant. Comme c'est une affaire de, de tchoukou cette affaire-là, mhm. c'est dans ça les gens mangent toute mhm. une année. Ça dit. Donc, au Coro, vraiment de prendre ses responsabilités. De prendre ses responsabilités, on a tout le temps dit ça. Mhm. Depuis, depuis que c'était en pot, l'agence nigérienne, c'était une société étatique, euh, machin étatique. Ça marchait bien. Mais après, quand on a libéralisé le secteur, tout le monde est rentré dedans. Mais parce que tu fais une activité qui s'étale, euh, au bout de 4-5 mois, ce que tu vas gagner là, ça va te permettre de vivre toute l'année. Mm-hmm. Les pèlerins, souvent, oh, il y en a tout à l'heure, Rémi a dit, il y en a, il faut même pas 10 jours. 10 mm-hmm. jours. on l'a vu, non hein. Alors C'était presque une semaine qui mm-hmm. restait. Mais il va aller, on dit, il est parti, il est à à l'âge. Alors, pendant qu'on t'a pris tout l'argent, tu as payé en même temps que celui qui est parti, qui a fait un mois. Presque un mois. Un mois. Mhm. Toi, tu es resté, c'est la dernière minute en catastrophe, mhm. on va te trouver un avion. Mhm. Au commissariat, donc, à l'organisation du Hajj et de la Umrah, ils ont, vraiment. Mhm, mhm, mhm. intérêt, à créer les conditions pour qu'on arrête cette mascarade-là. Parce que chaque année, chaque, année, ce sont les mêmes problèmes, le convoyage, Moi, j'ai vu des, des, des, des, des gens, j'ai vu des gens, ils, ils, ils, vous font pitié. On va les amener à l'aéroport. Ils vont dormir pendant une semaine dans des conditions difficiles, sans pouvoir embarqué dans l'avion. Alors que tu as dit à ta famille que tu t'en vas. Tu as quitté, tu as quitté, tu as quitté Comment rapidement, on est à la fin. On est là à la fin. Oui, on souhaite que à, la mhm. fin, Pardon. on va te dire, les, on va, techniques avions. ça n'a aucun sens. Alors, vivement, que tous ces acteurs, que ce soit le commissariat, l'organisation du Hajj, les responsables euh, des agences de pèlerinage, prennent leurs responsabilités pour une bonne réussite de l'organisation du Hajj 2024. Et c'est ici que s'achève le forum de la presse de ce vendredi euh, 2 février 2024. Nos remerciements à nos invités Memouna Diado, journaliste indépendante, Ousseini Issa, journaliste indépendant également, et Arimi Abba, journaliste à la radio alternative. N'oubliez pas le programme des jeunes euh, les week-ends dès 17h avec l'actu des jeunes suivi de tous à la FADA et les forums à Hausa et Zerma les samedis et dimanches à partir de 18h15. La technique est assurée par Seni Saka, la régie vidéo Issa Lawali. Je suis Nafisa Adam Sirfa à la modération. Très bon week-end à tous.